10, on y va. 9, 8, 7, tout le monde. 6. Ok uh-huh. D'accord uh-huh. Balance le générique. studio Kalango, duka fada. Donc bienvenue dans tous à la fada. Depuis son instauration, beaucoup d'étudiants nigériens affirment ne pas se retrouver dans ce système, pourtant qui est censé améliorer la qualité de l'enseignement. Vous devinez de quoi il s'agit Il s'agit du système euh, licence, master et doctorat, le système LMD. Donc, le euh, système LMD kin un tsari ne da aka dora ma ɗaliban wannan matasa da ya kamata su karatu bisa kan shi don yanzu zan mizance da su mu ji wannan system kin yana gyara su bayya gyara su akwai matsala tare da wannan system kin duka zan mu ji a cikin wannan shirin na tous à la fada Donc, euh, pour parler avec vous et nos invités, nous avons installé notre studio sur la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Vous savez, cette place consacrée aux étudiants. Il y en a des étudiants ce soir, Dandy ne me pose pas la question. J'aimerais entendre le bouillonnement de la flassable ce soir. Hey, hey tu as entendu de toi-même. tous à la fada. Hey, Autour de nous, nous avons des étudiants qui vont nous parler du système LMD qui leur pose tant de problèmes. Voilà. Avec nous, nous avons également M. Anas Jibrilla, il est le directeur de l'Institut africain de technologie. Il est également euh, l'ancien SG de l'USN, mais également de l'UNUN. Nous avons également M. Ousseini Magaji, vous êtes directeur des études à l'IAT. Mademoiselle Noura Touhega, elle est en L2 à la fac des lettres, plus précisément en géographie. Nous avons comme dernier invité M. Mahamadou, délégué à la fac des lettres. Bienvenue à tous. Général, bienvenue. général des étudiants. Voilà. faculté des flèches. Voilà, merci. Bientôt 12 ans. Merci, merci, merci, merci. Bientôt 12 ans depuis sa mise en vigueur. Et pourtant, le système LMD demeure la bête noire des étudiants. Pourquoi André, savoir pourquoi ce système pose autant de problèmes aux étudiants. Monsieur Anas euh, Merci, madame. Euh, Permettez-moi d'abord de remercier le studio Kalangu pour nous avoir donné cette opportunité pour qu'on essaye sur le système LMD. avant de répondre à votre question, permettez aussi de remercier Lienoun qui a accepté de mettre à la place AB à votre disposition. vous le dites pourquoi tant jusque-là les étudiants n'arrivent pas à comprendre le système LMD. Il y a un déficit de communication il y a un problème de sensibilisation autour et d'information autour du système LMD. le système LMD nous est arrivé comme le vent de la démocratisation en Afrique. Vous faites le constat que la plupart des pays africains sont indépendants dans les années 60. C'est-à-dire que ce vent de démocratisation, quand ça venait, vous le voulez ou pas, vous allez être démocratique. Pays démocratique. Donc le système LMD, c'est que nous sommes dans un monde globalisé, comme on le dit. C'est le village planétaire. Aucun pays ne peut évoluer en vase clos. Il faut qu'il y ait des interactions, des complémentarités entre les différents pays. Le Niger traite avec d'autres pays. Et nécessairement, même si le Niger n'est pas prêt, il va falloir, du fait que nous sommes dans un espace sous-régional, nécessairement, il faut s'y conformer à une logique sous-régionale même si vous n'êtes pas prêt. Voilà pourquoi quand le LMD est arrivé, le Niger l'a embrassé sans pour autant réunir toutes les conditions préalables qu'il faut avant de l'appliquer. Et voilà pourquoi les étudiants ont des difficultés à cerner les LMD qui devraient beaucoup plus solutionner leurs difficultés à davantage alourdi, doubler les difficultés des étudiants qui n'en connaissaient auparavant nous n'étions vraiment pas prêts et apparemment pas encore <laughs> jusque-là. Et amis euh, étudiants, qu'est-ce que vous avez à dire Pourquoi vous avez tant de problèmes avec euh, le système LMD tout. Ok, euh, bonsoir. merci. En fait, moi je crois qu'il y a dix ans de cela, bon disons il y a un slammer burkinabé qui dit dans un texte, Billy Billy, il dit, il nous impose des facultés qui n'ont même pas leur société ici. En effet, ils nous ont imposé le système LMD sans pour autant comprendre que l'étudiant, l'étudiant il y a 12 ans de cela et même l'étudiant d'aujourd'hui n'était pas prêt à accueillir ce système. Et les conséquences sont là. Aujourd'hui, le retard académique. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont là. On est devenus des fainéants parce qu'on se dit qu'au moins avec le système LMD, je peux compenser d'autres matières. Alors que ce n'est pas ça. La compensation ne va pas nous arranger. on ne va pas nous arranger. On veut étudier. Mais le système LMD nous a été imposé. Alors, on, a, on sent aujourd'hui les conséquences 12 ans de cela. Il y a du cela en 12 ans et jusqu'à présent, on sent les, conséquences du système LMD. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, au lieu de, de, de, passer notre temps à dire, oh mais euh, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, posons-nous la question, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il est temps aujourd'hui de, comprendre qu'il y a de cela 12 ans et jusqu'à présent, on n'a pas de solution. Donc selon vous, il faut vraiment chercher des alternatives. Merci. Il faut chercher des alternatives pour régler le problème. Merci Nouratou. Donc elle propose une solution là. J'espère qu'elle va arranger beaucoup euh, d'entre nous. Monsieur Magaji, vous êtes, on peut le dire, l'un des acteurs de la mise en œuvre du système LMD au Niger, si on peut le dire ainsi. Euh, dites-nous un peu, rappelez-nous, quelle était la volonté à la base de l'instauration de ce système. Il devait régler quel problème Merci madame, c'est toujours un plaisir. Il faut permettez-moi de remercier d'abord les camarades de la place à Bouboukar qui par nostalgie, ça fait 15 ans ou 16 ans je n'ai pas mis pied. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise et je me sens parfaitement en harmonie avec mes jeunes frères. Monsieur le SG et votre équipe, je vous remercie sincèrement de nous donner l'opportunité avec euh, euh, le, studio Kalangou de nous prononcer par rapport à la mise en œuvre du LMD dans, le, dans les instituts d'enseignement supérieur privé. Il faut que je recalise, il faut que je, je, recadre. Je veux parler de la mise en œuvre au niveau des instituts d'enseignement supérieur privé. Pour cela, il faut partir de l'histoire. Voilà. Ça serait bien de savoir à la base pourquoi voilà, ce système LMD. Pourquoi voilà, à la base, pourquoi ce passage Il faut poser la question. Pourquoi ce passage Il faut le dire à partir de la conférence de 2000. Dites le processus de Bologne. L'Afrique francophone, qui est en lien étroit avec le système français, est confrontée à un défi. L'adoption du système LMD à cause de la mondialisation. À cause de la mondialisation. Pour ne pas répéter le SG, l'ancien SG, le directeur général, comment aller, comment passer de notre système français au système licence, master, doctorat, dont la formation puise ses liens dans l'industrialisation ou tout simplement dans le développement économique d'un pays. Donc, Arangba voilà. système LMD au Ikanda, c'est pour que Indela Bougare. Voilà. Il me croyait de Yadino, Dans le, le, système de la le système international. Il fallait répondre à un besoin mondial. Il fallait qu'on forme des compétences qui puissent en Germain. En Germain Il fallait. Ah, vous pouvez aller en Germain, il n'y a pas de Bon, je préfère aller en français, excusez-moi. Donc, il fallait nécessairement qu'il puisse sa formation dans le monde de l'entreprise. Donc, à ce sens que le système est venu. Alors, on n'a pas préparé, il y a manque d'intensification, d'information et de réorientation. Merci, Monsieur Magali. Au niveau des étudiants. Mhm, merci, Il y a manque d'information au niveau des acteurs majeurs qui sont le monde de l'entreprise. Voilà, Il y a manque d'information au niveau des décideurs politiques. Mhm. Justement, par rapport à ça, sur cette na iya turanci ka gane da Allah ka mun hausa fuska ga musu har kamata mu samu hausa kadan muna son hausa muna son zabar muna son hausa muna son zabarmanci ka yi turanci mun san ka mun hausa Il n'y a pas Donc, euh, ouais, justement, justement, sur cette question, il y a notre reporter Rukayatou qui est allé à la rencontre des étudiants donc, dans son élément, on saura qu'est-ce que les étudiants pensent, comment ils perçoivent le système LMD et comment ils le vivent. Donc, je vous propose d'écouter notre reporter de choc, Rukayatou. Ce système euh, incite l'étudiant vraiment à, à former. Donc euh, l'enseignant nous donne une indication, voilà tel auteur, voilà ce que tu vas lire. Et du coup, nous avions tendance vraiment à ne pas lire ces auteurs-là. Euh, nous allons nous contenter uniquement au cours. Mais maintenant, il faut que tu lis pour que pendant l'examen, l'enseignant sache que vraiment tu as lu. Le système élémentaire, ça me dit rien car je n'ai aucune idée là-dessus. On ne nous a pas expliqué. Jusque-là, on n'a rien fait. On n'a même pas commencé l'été déjà pour préparer les examens. Je suis là depuis 2010, pratiquement 9 ans. Et c'est nous qui sommes les chanceux qui avons pu atteindre le cap euh, du master. Et imaginez un master dont nous avons eu à faire l'instance pendant 16 mois d'attente sans pour autant finir même le master en 3 ans. Donc 16 euh, mois plus 3 ans, ça fait à peu près 4 ans et quelques. Il y a tout un problème qu'on ne maîtrise pas, je vous assure. Le bilan est négatif dans l'ensemble. Le bilan est négatif dans l'ensemble. Donc là, nous venons d'écouter les étudiants délégués. Votre réaction Merci beaucoup. Comme euh, vous voulez que je parle à langue, je le ferai. Mais avant cela, avant tout propos, je, je salue. Donc je dis merci au studio Kalangu qui a effectué une visite spéciale pour demander ma participation à cette émission et que j'ai accepté avec beaucoup d'égalité de cœur. Et je dis bonsoir également à tous les camarades qui sont ici présents ainsi que les anciens cadres. Donc euh, par rapport au système LMD, et zan komo da harshen hausa eh, yawwa eh, mun gode mun gode kobar gida ta kobar gida wato yadda tsohon magatakarda mu ya ce na kungiyar ɗalibai na ƙasa ba wato shi wannan wannan abin da ake kira system lmd wani tsari ne na daban wanda ya ɗauko tushe daga can ƙasashen turawa Eh, musamman ƙasar horon wato a shekara ta 1998 suka ɗauko wannan tsari nasu suka tsara shi a can inda za su sa a jami'o'insu daga baya suka samu gudunmawar ƙasashe guda uku wato royal zini da alman da wata ƙasa guda bayan su wannan ƙasashe sun ga amfanin wannan tsari da horon shi ta yi shekara biyu baya suka samu wani taro da suke yi tsakanin su kasashe 29 na turawa suka ce yanzu gaba ɗaya a can gunduma su yankin nasaru za su yi amfani da wannan tsarin a jami'o'insu to bayan wannan mu kuma nan kasashen mu kun san yadda tsohon magatakarda ya ce duk abin da suka gani an yi a turai ya kan burge su sai su ɗauko su kawo mu a nan ƙasan mu yanzu shekara goma sha biyu har yanzu ba mu shirya ba <laughs> yanzu matsalar da aka samu a nan jami'o'in mu wato an ɗauko tsarin an kawo shi babu abubuwa da aka sa tsare-tsare wanda ya kamata abinda suka yi can wurin su nan ba a ba shi yasa kuke ga wannan matsaloli saboda shi system LM din ana kiran shi kuma a wani yaren wato 3 kat ma'ana uku biyar takwas kenan sunan shi ne na daban system LM din uku na lisans biyar na masar takwas na doktora wannan wani kira ne da ake mishi na daban amma an kuka ɗauko shi kuka kawo shi nan wurinmu mu maimakon uku biyar takwas muna iya cewa biyar shidda goma sha biyu ko sha uku saboda kun ga yadda ɗalibai suka ce muku akwai wurare na karatu a nan jami'a inda inda za ka shekara uku kana aika shekara hudu ko biyar gaskiya bai kyauta ba bai kyauta ba gaskiya bai kyauta ba zaram sanu te se direction cha écouter le micro une fois n'o non di al haloga er wana kyorayo wala kyawanda koy kan garseneo kyawyon che drawo bon kan signa lmd zanga haya ki go ga bayan hayo ga kate bore ga zanga haya ki go famana bore se hayan no kan nga rano irgo er kin ga zar ga windora zamdin sambu giri zambar hinkanda iya kan ina system alam da singi raka kasongo la ka haya kan ngi gidi girwe kini hinka banda inda ran ga je gamara halga kasong borfo mandu master indi nimba sevra cherba nirka borkul mandu halga kasong borfo kul no sinda master asino asino master da mo girgu gamara ni kamata ka kan mantu wadin mu warga bai kan ayo ke wanda kai kan garse a kamata gane ito zanga kutukulu foyan zanga gasa beri hima gudu gasa beri foyan kan si gane ayo grad grad don kati zanga grad a eke irga bai kan irke wani koyara don koy gona faculty yan gona kan da sen gudu ayo ke wanda ko izgu kan wanda gasa road bai gono modi gono din president sirman bai gide ba sofo ayo kale farga kai ka bien sûr N'oubliez surtout pas de nous envoyer vos questions. Euh, vous pouvez donc également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp, euh, en envoyant jeune au 80 06 88 52 52. Vous avez déjà le numéro. Alors nous allons donc euh, marquer une pause. Et dans tout ça, la fada, la musique aussi à sa place. Je vous demande d'accueillir comme ça se doit les Raiders. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Hey! Ça se passe comme ça.

c'est mon rap, c'est mon rap, c'est mon rap. c'est mon rap, never die. C'est mon rap, c'est mon rap, mon rap, mon rap, mon rap. Ils nous prennent pour des fous, mais des qu'est-ce qu'ils savent de la zig. Ils crient, ils partent tout le temps de nous, alhamdoulilah. Quel bonnet mec, on se tourne à fond, mon pavé, toutes les frontières. Et carrément pour qu'ils soient le très loin que tu peux t'imaginer. Maïdo son pro d'assaut, le micro, notre visite d'assaut. T'as vu le boy qui relève, qui est au bout, Il le boy plage, on tombe au public, rien up. On pousse du feu sur la scène et les du stand-up. C'est son et le cœur de la conquête que de la frappe lourde. Si t'attends pas à ça, mec, c'est que c'est S-A-L-I-M Team Nigga. C'est juste une façon de nous distinguer. Mais tu Maintenant, sais plus j'ai la place, il vous faudra céder. Imagination, invention, qui est de la perfection. Nigdi, nigga ma rap, sans ça, je le feu de Moi c'est nirgi, boy, wassi, wassi, poté, nirgi, boy. Wossi, no, yergo, gigo, que wossi, nirgi, c'est mon rap. Ça flotte des profondeurs de l'Afrique. Mon rap, ça l'embête longtemps le monde des pompiers. C'est mon rap, yeah. Hey yo, mon père, il le dit, Mon rap, pur avec autant de valeur qu'un monument historique. C'est mon rap, c'est mon rap. C'est mon rap, c'est mon rap, c'est mon rap. Zero life, c'est mon rap. Never die, c'est mon rap. tu c'est mon rap. Mon rap, mon rap the ground c'est la révélation. Comme un soldat fin de formation, on passe à l'action. S-A-L-A-M, nigga. Noble combattant, nigga. L'assaut est imminent, nigga. On oh, la, use on sert Concrète apologique sont de l'authentique Performant en mathématique Les dégâts sont totalement Caractère volcanique lance inspiré est pléthorique Vas-y, quand je Sur le putain Crac, Le rap, notre second monde Face au microphone Le meilleur de nous on donne baby nig dans Dans le rap, nigga on est autochtone T'es un manque Destiny big et fait le monde yeah. Pour la transpire du pur, du vrai On marche avec les, grands, les vrais Faut pas que cela détonne, tu sais Ça devient du ghetto, pur au vrai En hiver, en, été, toujours dans la reggae Si on fait de l'effet, c'est que ça bosse ça tue Cette des profondeurs de l'Afrique Mon rap, Ça l'empêche lourd dans le monde hip C'est mon rap, yeah Hey yo mon frère il le dit Mon rap, Pur avec autant de valeurs qu'un monument historique C'est mon rap C'est mon rap c'est mon rap C'est mon rap C'est mon rap C'est mon rap C'est mon rap C'est mon rap N'est pas rap, C'est mon rap Mon rap Mon rap Mon rap C'est mon rap Hey, hey, hey Mora Hey, hey, hey Mora hey. Ça se passe comme ça ça se passe comme ça dans mon petit ghetto avec mon mec auto sur mon poste radio. Merci Ouais, Je vous demande de les applaudir s'il vous plaît, on tape très très fort. Respect à vous. Ouais, bien sûr que je aussi le rap dans le sang, quand je rappe, tu le sens. La première fois que ça me venu de rapper, je veut pas rapper, mais j'étais à rapper dans la bataille et à rapper. Oh mais, c'est je m'en pour rap, mais il me sur a beaucoup ça Hey! Ok, Voilà. Voilà, revenons à notre sujet qui nous intéresse, le LMD. Les difficultés liées à la mise en œuvre de ce système sont-elles similaires dans toutes les facultés ou bien il y a des étudiants ou des facultés qui se retrouvent donc on aimerait bien savoir sur cette question dit j'aurais besoin que tu t'approches de nos camarades étudiants. D'accord. Et que tu essaies de recueillir des avis. Il y en a qui se retrouvent avec le système LMD ou ça va mal partout. tu vas te lever. Nous sommes à la FADA. Il est et puis le, mec, le, mec, il est et puis il va, se lever. C'est LK, LK, il est, LK, et puis. bonsoir à tous. La Fatende à Alaya. Voilà, merci. Euh, euh, une, citation, bon, je vais juste euh, commencer par une citation. Quoi. On dit qu'il faut de l'endurance et du courage à celui qui veut mener le troupeau hors de la vallée. Donc cette endurance-là nous a caractérisé à un moment donné. C'est bel MD, ça ne va pas tout le monde laisser. Et ça se dessine à travers nos visages. Il suffit de nous regarder pour le comprendre. Hey! Hey! Dondi! Dondi, big Bonsoir à vous. Euh, de mon côté, je me retrouve parce que euh, le système LMD me permet de voyager, d'aller faire le tour du monde. Ah ouais, quand même. Euh, franchement, je me retrouve un peu. Je me retrouve parce que le retard, ça me permet d'aller faire la musique et revenir, faire le show, la fada. Et mais d'un autre côté, ça nous met en retard. Et d'un autre côté aussi, c'est de notre faute parce que les étudiants ont tendance à dire que non, euh, les matières se complètent. Les matières se complètent, donc euh, je vais essayer de valider cette matière et puis euh, essayer de trouver un 8 ou un 7 pour compléter l'autre. Mais non, je suis désolée, ça ne se fait pas comme ça. Essayons de valider toutes les matières afin de passer. On se dit que non, si on valide le S1, on ira en deuxième année. Ben, ça aussi, c'est vraiment une erreur. Donc, euh, merci beaucoup. Voilà, merci Zainab. Merci. Euh, revenons à nos invités. Euh, Monsieur Anas, le système LMD, il n'a pas que des inconvénients, il a des avantages. On peut savoir lesquels Merci. Le système LMD a des avantages de façon globale, mais c'est que les inconvénients sont liés au refus de mettre en application les objectifs que vise le système LMD. Je vais citer le décret qui institue le système LMD parle d'abord de la question de faciliter la lisibilité et la reconnaissance des diplômes. Le système LMD parle de la mobilité des enseignants dans l'espace et de la mobilité également des étudiants. Le système LMD parle de la professionnalisation, le système LMD parle encore de l'harmonisation au fait de nos actions ou de nos activités en lien avec la technologie. Mais malheureusement, les pays dans lesquels nous sommes, où on tend, ce que le système LMD veut. À la limite, on peut avoir un seul enseignant à partir des États-Unis d'Amérique qui peut donner cours dans 5 à 6 universités, 7 universités avec la technologie. Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer là où on a 24 heures de coupure, une heure d'électricité quand on, dans ces conditions-là, comment est-ce que le CMLMD peut passer L'autre aspect, la question de la professionnalisation. Aujourd'hui, pour la licence, quand on parle de la licence professionnelle, ça veut dire que même le curricula doit être discuté avec les entreprises. Un étudiant inscrit en première année qui doit faire la licence professionnelle, ça veut dire que dès sa première année, il doit être en contact chaque semaine que Dieu fait avec les entreprises. Faire les stages avant la fin de ces trois années il va être un professionnel type. Mais aujourd'hui, un étudiant qui a sa licence à l'université, au fait, la différence avec celui qui a l'autre licence, c'est seulement le diplôme. On te dit que tu as une licence professionnelle. Donc ça, c'est encore une des difficultés par rapport à cette question. Et le système LMD parle encore de l'employabilité. C'est-à-dire que quand vous partez, au fait, vous ne partez pas, vous vous formez, vous tenez compte du monde du marché on vous forme en fonction du monde du marché. Dès que vous finissez, vous allez être directement consommable. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Voilà pourquoi, au fait, le système LMD, si on l'applique tel que, ça n'a pas de difficulté, mais on refuse de mettre en application les exigences du LMD tel que ça a été demandé, tel que c'est inscrit dans le décret qui institue le LMD. Voilà, au fait, de façon succincte, pourquoi les étudiants n'arrivent pas à se retrouver à comprendre pourquoi le système LMD. Merci, Monsieur Anas. Donc, euh, voilà, applaudissez, hein. applaudissez, Voilà, on se retrouve juste après cette pause musicale. Dandy Ouais, Mr. Cadman, que nous voulons demandons d'applaudir une fois de plus. Toujours la musique à la place AB. Hey Voilà, retour à la place AB pour tous à la FADA, le nouveau programme de Studio Kalangu. Les programmes de jeunes, je le rappelle, du Studio Kalangu c'est le samedi et le dimanche de 17h à 18h15 sur nos radios partenaires. Il y en a 38, donc je ne vais pas toutes les citer. Mais il y a par exemple Challenge FM, Alternative FM et la radio des scouts de Kouarategui. Ce soir, nous débattons autour de la question du système licence master doctorat. Pour poursuivre notre débat, je propose d'écouter ce reportage de Tarnan Ahmad. Implémenté au Niger à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey, le système LMD qui signifie licence master doctorat s'applique aujourd'hui dans toutes les facultés de la dite université excepté la faculté des sciences de la santé. Ce système pourrait permettre à cette université de retrouver ses lettres de noblesse. Docteur Ganda l'un des coordinateurs du système LMD à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Euh, le système LMD apporte de la lisibilité dans les diplômes, euh, présente des avantages multiples, euh, mais pas pour l'université de Niamey seulement, mais aussi pour les étudiants, parce que ce système vise à réduire les taux de chèque, vise à former des étudiants avec des meilleures compétences. Le système LMD est le meilleur selon le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey Yenoun. Amadou Arifa Hassan. Ce système, c'est l'un des meilleurs systèmes qu'il faut pour les universités lorsque seulement ce système est bien appliqué. Malheureusement, pour le cas du Niger, on a importé ce système sans pour autant avoir des mesures d'accompagnement conséquentes et c'est ce qui a occasionné l'échec patent de sa mise en œuvre. D'autres pensent que ce système est la cause principale du retard académique constaté pratiquement dans toutes les facultés de l'IAM. C'est l'une des raisons qui pousse de nombreux étudiants à déserter cette université pour s'inscrire ailleurs. Abdoulaye Diallo est l'un de ceux-là. C'est un système qui est très mal adopté, chose qui n'est pas du tout avantageuse pour les étudiants. Au lieu d'avoir la licence en trois ans, des fois on est obligé de faire quatre ans, cinq ans. Raison pour laquelle ah, j'avais songé à quitter pour un pays voisin où ils sont dans le système classique. Et rapidement là-bas, au bout d'un an, j'ai eu à finir toute une année et avoir également mon diplôme et le vice-président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Niger estime également que ce système est source de soucis pour leurs enfants. Ranasaratan. C'est un système qui nous fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, tous nos enfants que nous inscrivons dans les universités étrangères reviennent facilement au bout de 3 ans, 4 ans avec leur diplôme, pendant que ceux qui sont ici en Niamey dans les universités euh, publiques peuvent te prendre 6 ans pour avoir la licence. Il y a de quoi euh, s'inquiéter en tant que parent d'élève. La bonne application de ce système et le respect des textes qui l'ont instauré sont l'une des revendications des étudiants. Lienoun entend continuer la lutte pour que ce système soit appliqué à la lettre. Il faut qu'on passe par cette faire certaines revendications euh, des mouvements sociaux, notamment les étudiants, les enseignants-chercheurs. Et ensuite, il faut doter les universités des infrastructures, la logistique, parce que le LMD, c'est professionnalisé. Pour professionnaliser, il faut que l'étudiant soit en contact avec le milieu professionnel. Pour l'heure, avec l'application des systèmes LMD à l'université de Niamey, des étudiants n'ont pas encore leur licence en main, en plus de six années passées à la fac borfoye ne aga bori borfoye muna su bori irbirin bai nuwa ifo non godi haya waga matuno haya tira en tout cas système LMD bori kulno si système LMD ga zam nan ko kan professeur on est le système LMD est censé réduire le, le taux d'échec mais échec fois, on connaît aussi échec non il me dit quand le taux de, de le taux d'étudiants qui qui font la rentrée en, qui font la rentrée à l'université est supérieur au taux d'étudiants qui à la sortie vous voyez Quand on faisait le tronc commun, qui retenait au tronc commun flèche An fi hinzi ni rotona pas. Halle to L2 classe mate sal folon ni rotona. Mais mangano borgera kul koy. Hunkun sisa lamda ikul na mankati ni jara kala institué kan go bagumu. bora kul godira bora kan baba gon hay fono bo bora kan ifam gon hay fono kul labu wan iro kan cindiwo iro institué rane niro on connaît au L, on dit ça. On connaît au L2 négo, mais je, je suis un master en institut.

2013 2014 don ça vous rate. mahamadu mahamadu kai ma haka ne saboda wannan system lmd kin ka ta cikin wata école ka rubuta sunanka kana wani karatu can wani wuri haka ne bon moi je fais seulement l'université et jamais akwai nake yi kuma 2013 na yanzu ina master 2 eh kenan jami'a muna iya cewa wannan system din matsalar shi babban matsalar shi yadda tsohon magatakarda ya ce ma'ana su turawa da suka kawo shi sabida su ba ɗalibai dama wato in ka kare karatunka da kawo ta jami'a kana samun aikin da za ka yi na harko kenan na biyu yana ba ɗalibai dama wato misali wanda ke nan universal niamey yana iya huta ta yi universal zandara ya karatu ko wanda ke universal niger yana iya ta universal cote d'ivoire ko Burkina ya ci gaba da karatun shi. Me nan mine ne babban matsalar mu? Na harko dai za ku ga ɗalibi na jami'a wanda ya zo ya karatu ya kai shekara biyar a university. In ka tambaye shi aikin mi zai yi bai sani ba. Amma kuma yana ta karatu kuma za ku ga wani bi ya kai master. Wannan babban matsala ce. Kenan abin da ake koya mu a jami'o'in mu ba abubuwan da al'umma ke jira ba ne finalement euh, le système LMD qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche enfin ce qu'il faut pour que le système LMD marche enfin madame c'est pour vous dire que quand on vous dit que le fleuve est à côté de l'université Abdoumouni, vous empruntez la voie de Walam, vous ne serez jamais au fleuve. <laughs> Donc, c'est de dire que ce qu'il faut pour le système LMD, c'est de mettre suffisamment les moyens pour répondre aux exigences du LMD. LMD. Les moyens comme quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit, on doit être autonome du point de vue énergétique. La question de la technologie ne doit pas quand même être un luxe pour nous, sans quoi le système LMD, ce n'est pas possible. Les enseignants doivent être dans les conditions. Les étudiants doivent être dans les conditions. La technologie dont j'ai parlé, avec les LMD, ce n'est pas comme le système archaïque où avec 700, 800 étudiants, il faut afficher un papier au tableau, tout le monde vient regarder. Avec les LMD, les exigences du LMD, c'est quoi Tu as ta boîte, tu es connecté, l'enseignant t'envoie le message, le cours est programmé. De chez toi, tu as une idée de la programmation. De chez toi, tu as une idée de toutes les informations de l'université. Voilà ce que le système LMD veut pour marcher comme il le faut. Merci beaucoup. Je préfère recadrer un peu. Il faut, en, LM2, il faut deux types d'enseignants. Il faut ce qu'on appelle l'enseignant professionnel et l'enseignant chercheur, chercheur appliqué. Donc, l'enseignant professionnel, c'est celui qui sort du monde professionnel, qui transmet des compétences et des expériences. L'enseignant chercheur, c'est celui qui fait des recherches applicables pour auto-former l'étudiant afin de auto-créer son entreprise. Mais chez nous, pour enseigner à Je, voudrais conclure, Rabi. Mhm. L'insuffisance de l'application du LMD au-delà des ressources, j'aimerais assurer que nous avons une défaillance. Le manque de conseillers académiques. Le manque de conseillers académiques, on n'a pas intégré les étudiants de l'adoption du système LMD. On a, les enseignants doivent accueillir les étudiants en disant aux étudiants, faites attention, quand vous allez vous inscrire en droit privé, il faut que vous ayez un projet professionnel au début. Et c'est ce projet qui commence votre formation et qui sera le suivi individualisé jusqu'à la création de votre cabinet d'auteur, de notaire ou de lycée. C'est l'heure de la chronique d'Olivier. La chronique d'Olivier, c'est de l'info dans un style détendu et rythmé. Les bons plans à ne pas rater, les sorties de films et aussi les opportunités d'emploi. Olivier, on t'écoute. Salut Rabbi. exceptionnellement pour vous ce soir, je vais commencer avec une info qui n'est pas jeune, mais plutôt une page d'histoire pour se souvenir. Se souvenir de quoi Ce jeudi, on commémorait le débarquement de Normandie. C'était le 6 juin 1944, sur les plages du nord de la France, il y a eu cette bataille qui a marqué un tournant décisif lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et je voulais le rappeler ce soir, le rôle de notre continent cher, l'Afrique. Car au total, c'était 80 000 venus de l'Afrique francophone. Il y aura des Nigériens sûrement, vrai ou faux Voilà, ce débarquement a permis la victoire des Alliés dans la France. Allez, un autre euh, sujet beaucoup plus léger à présent. Olivier avec de la réalité virtuelle. Exactement, Rabi, de la réalité virtuelle, c'est quoi Vous mettez votre casque, vous êtes dans le jeu. Et ça se passe ici à Niamey. C'est une première. Ah bon, Olivier Et c'est où ça Bah écoute, Rabi, c'est le quartier Yontala de Niamey qui se, que se situe le Youssef Connect, du nom du promoteur de ce centre de jeu. J'ai été personnellement au lancement de ce centre. J'ai rencontré un joueur, un player comme on le dit. Il est en plein jeu et il m'a dit ceci. Donc actuellement, je suis dans un univers western et je me fais attaquer par des zombies qui arrivent de, de pas mal de côtés. Voilà, c'est un jeu dans lequel vous mettez votre carte et c'est vous qui êtes dans, en tout cas, euh, le jeu. C'est ouvert à tous, mais il faut juste 5 euh, minutes. C'est à 500 francs, Rabi. On passe à la musique. Oui, à la musique. Euh, Rabi, est-ce que tu sais que le rappeur français, le rappeur qui a les yeux les plus gros au monde, Black M, est-ce que tu sais qu'il est, qu'il est Peul ah oui Black M, le rappeur français, il est Peul. Ah ben oui, il est Peul d'origine guinéenne. Si vous êtes prêts, Didier, mets-nous ça. L'histoire de la légende Black continue. Il était une fois. Exactement ça, c'est la nouvelle sortie de l'artiste. Et dans le clip, il fait ressortir ses origines Peul avec le design, la couleur. En tout cas, je vous invite à faire un tour sur sa page Facebook. Merci. Euh, on passe de la musique à l'emploi cette fois-ci. Bien sûr que oui, parce que dans la chronique de Olivier, c'est pas que de la distraction, il y a aussi de l'emploi. Amis jeunes, je reviens avec deux à trois annonces pour ceux qui cherchent du travail ou veulent tout simplement en changer. L'entreprise turque Souma recrute un ingénieur système réseau. La date de clôture des candidatures, retenez-le bien, c'est le 15 juin 2019. Par ailleurs, l'ONG hollandaise SNV recrute pour le poste de conseiller et personnel du sport. Et c'est quoi la tâche Il suffit d'accueillir, orienter les visiteurs ainsi que de rédiger des mails et des courriers. Vous avez plus d'annonces dans les journaux, à la NPE et sur les réseaux sociaux comme la page Facebook de Niger Emploi. Donc, chers amis étudiants, chers amis demandeurs d'emploi, n'hésitez pas à faire un tour. Ravi, ça sera tout pour cette soirée. Merci Olivier. On se retrouve la semaine prochaine dans le prochain numéro de Tous à la Fada. Merci. Plus de fun. Dandy Amis jeunes, c'est la fin de Tous à la Fada. L'équipe et moi, nous vous donnons donc euh, rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était le programme jeune du studio Kalangu, diffusé les samedis et les dimanches de 17h à 18h15. Tout de suite, place au forum du studio Kalangu.